le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou et bienvenue à ce nouveau numéro du forum. Au micro, Adam Sirfo. Le forum du studio Kalangou reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Je rappelle à nos auditeurs que depuis le début du mois d'août 2017, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux localités de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Dogonduchi, de Walam, de Kablewa, de Ginjimi de Tera, de Kwarategi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit un total de 31 radios qui diffusent simultanément les programmes du studio Kalangu. La consommation abusive de la chicha de la ville de Niamey, c'est la thématique du forum de ce soir. Le narguilé pipao ou chicha en arabe est une forme traditionnelle de consommation du tabac dans plusieurs pays du monde. C'est donc la fumée produite par cette pipao qui est aspirée à l'aide d'un tuyau. Dans le temps, la chicha était le plus consommée dans les sociétés arabes du Moyen-Orient et son usage en était l'apanage des adultes. Mais depuis quelques années, on constate une véritable explosion de cette coutume dans des pays où elle était jusqu'ici quasi inexistante, comme ici au Niger, où elle est ainsi devenue une forme de consommation du tabac assez banale pour les jeunes. Ces jeunes, un peu partout, de la capitale, de' les fadas, ou même dans des clubs créés à cet effet consomment à longueur de journée cette substance et semblent y prendre goût. Pourtant, cette pratique que ces jeunes assimilent à la mode est très dangereuse pour la santé selon les spécialistes de la santé. Vu l'ampleur de la consommation de la chicha à Niamey, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, à part un communiqué radiodiffusé en date du 7 septembre, interdit la consommation de la chicha et de l'alcool dans les lieux publics. Nous allons donc en profondeur voir ce que c'est que la chicha, voir le mécanisme de production de la fumée aspirée, la catégorie de personnes qui la consomment et les raisons de leur consommation. Nous allons par la suite parler des enjeux sanitaires, économiques ou sociaux de cette pratique et enfin nous interroger sur la mise en application de la décision interdisant la consommation de la chicha, faire le tour sur les voies et moyens pour freiner, voire empêcher sa consommation et voir les actions menées par, le Conseil national de la jeunesse pour éradiquer ce fléau. Ainsi, pour cela, nous recevons dans ce studio Madame Salamatou Madame Seydou Salamatou, responsable affaires sociales de la ville de Niamey. Bonsoir, madame. Bonsoir. Nous recevons également Monsieur Abdoulaye Moumouni. Il est conseiller juridique du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Monsieur Sidi Mohamed, vice-président de la commission paix, sécurité, migration au Conseil national de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et docteur Soumana Al-Fazazi, il est pneumologue au centre anti-tuberculeux qui participe à cette émission en ligne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Chers invités, merci une fois de plus d'être venus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter cette interview réalisée avec euh, un consommateur du narguilé ou chicha. Avec lui, nous passerons à revue plusieurs aspects de la consommation au cou. On l'écoute. Moi, je consomme de la chicha juste pour le plaisir. Par plaisir, est-ce que c'est à travers des amis que vous avez vu qui consomment de la chicha Quand j'avais commencé, c'était avec des amis. Ce moment-là, j'étais à Agadez. Donc, euh, c'est pas dans toutes les régions qu'il y avait ça. Mais à Agadez, on, en consomme beaucoup plus à Agadez que dans les autres régions. Combien de prises vous faites par jour Bon, là, ça dépend. Comme moi, je suis pas accro à la chicha. Donc, ça dépend. C'est quand je viens à la fada. Durant la journée, je peux dire, je peux prendre au minimum deux têtes. Et depuis quand vous avez commencé à consommer de la chicha J'ai commencé depuis 2011. Depuis 2011 et vous dites que vous n'êtes pas accro Oui. Bon, vous savez, le fait de devenir accro, c'est un peu différent que quand vous prenez juste pour le plaisir. Parce que quand vous devenez accro, vous, allez acheter l'appareil. Donc à chaque fois, même si vous êtes à la maison, vous allez essayer de chercher le produit pour venir consommer à la maison. Mais moi, j'en prends seulement quand je viens à la FADA. Par prise, combien tu paies par prise, bon, ça, ça dépend. Et, le paquet se vend à 1000 francs. Donc le demi-paquet, c'est à 500 francs. Présentement, quand vous prenez de la chicha, comment vous vous sentez L'effet que ça fait, par exemple, si je, prépare la, la tête et que c'est moi qui en prends le premier, vous sentez en vous je sais pas comment l'expliquer, mais vous ne sentez pas que c'est nuisible. Est-ce que vous comprenez au moment où vous en prenez Mais certains disent que euh, vous, les jeunes, vous introduisez une substance, euh, stupéfiante. Euh, est-ce que vous, vous avez l'habitude de le faire non, non, non, Moi, personnellement, n'ai jamais. Parce que moi, à part la chicha, je ne consomme aucun excitant. C'est seulement la chicha que je, prends. Donc, et il y a des gens, oui, c'est vrai, parce que c'est ce qui fait un peu peur. Parce qu'il y a des gens qui, ont l'habitude de prendre des stupéfiants. Ils introduisent ces stupéfiants-là dans la chicha. Par exemple, là où on met le produit, là-bas, ils met le par exemple de la drogue et en bas comme c'est de l'eau qu'on utilise et ils mettent de la bière dedans. Donc imaginez un peu le fait que ça fait quand vous quand vous en consommez. Vous êtes conscient que la chicha elle est dangereuse pour la santé Oui, j'en suis conscient. Vous n'avez aucun problème de santé depuis que vous avez commencé à consommer cette chicha Pour le moment, je peux dire que j'ai pas de problème de santé, mais je suis sûr que quand je vais me faire consulter, c'est clair que j'aurai des nouvelles comme quoi ma santé n'est pas vraiment la même que quand j'en prenais pas. Quelque part, peut-être c'est parce que je, fais du sport. Est-ce que vos parents savent que vous consommez de la chicha Est-ce qu'on vous interdit de la prendre à la maison eh, Nos parents savent qu'on prend de la chicha, mais à chaque fois, ils nous donnent des conseils de laisser. Donc à un certain moment, même si on en prend, donc c'est en dehors de la maison. Est-ce que tu comptes abandonner la prise de chicha Oui, c'est juste une question de décision parce que si je décide aujourd'hui de laisser eh, la chicha, comme je ne suis pas accro, personnellement, je sais que je peux abandonner ça à l'abandonner parce que j'en consomme plus quand je suis à Agadez. Parce qu'à Agadez, eh, nous avons un appareil à la maison, donc vous voyez. C'est ça qui fait un peu la différence. Parce que quand vous disposez d'un appareil, ce qui veut dire qu'à chaque fois quand vous voulez prendre, vous allez prendre. Mais quand vous n'avez pas un appareil à votre disposition, il faut que vous partiez là où se trouve l'appareil là pour que vous puissiez consommer. Chers invités, vous venez là d'entendre les propos de ce consommateur. Alors je commence par mon invité de la droite, Madame Salamatou. Euh, quelle réaction l'explosion de cette pratique, la consommation de la chicha ici au Niger suscite en vous, Madame merci, merci, Madame. La réaction que ça suscite, euh, je, tout d'abord, je veux dire que c'est un phénomène social qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui est, qui, est en train de gangréner vraiment le tissu, le tissu social, si je peux le dire. Mhm. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est un phénomène qui, qui, est en train de, de gagner du terrain, de, qui, est en train de gagner du terrain, surtout au niveau des jeunes. Mhm. Donc c'est ma ma première réaction, c'est ça que je peux dire. Alors, Monsieur Abdoulaye Moumouni, vous êtes euh, conseiller juridique du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Vous venez là d'entendre les propos de ce consommateur. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette pratique se répandre dans la ville de Niamey ici au Niger? Euh, en écoutant mon frère ces propos euh, m'inquiètent davantage. Parce que quelqu'un qui dit qu'il n'est pas accro et qu'il prend depuis 2011, donc je me demande euh, ce quoi être accro. Mm-hmm. Ça, c'est la première question que je me pose. Et la deuxième question, euh, je suis content d'observer qu'il a une prise de conscience sur lui parce qu'il dit quand il va se faire consulter par euh, un médecin, il est convaincu qu'on va lui dire qu'il y a des anomalies par rapport au temps où il ne prenait pas. Mhm. Et encore, je suis inquiet parce que euh, il vient de m'apprendre, parce que moi je ne, euh, je ne, connais pas ces pratiques, comme quoi ces jeunes à la place de l'eau mais de l'alcool mhm. et à la place des ingrédients traditionnels qu'utilisent euh, les premiers euh, utilisateurs de ce chicha, ils mettent de la drogue. Donc, ces jeunes sont en train de s'auto-flageller dangereusement euh, sans le savoir. Je pense que il est temps, il est plus, il est temps que l'État prenne une législation, au mm. niveau national pour carrément interdire cette pratique. Merci à vous. Euh, je donne la parole à mon invité qui est en ligne, docteur Souman euh, Alfazazi. Vous venez là d'entendre euh, les propos du consommateur, ce jeune homme. Donc, docteur, en tant que spécialiste de la santé, quel est votre commentaire Merci madame, je suis très content, merci pour l'invitation. Je m'excuse, je n'ai pas pu être là pour ce débat. Mais je dirais que c'est, comme les jeunes l'a dit, c'est même euh, très dangereux, qui est en train de prendre du terrain dans nos pays. Et précisément au Niger, ça devient une tendance euh, très dangereuse parce que c'est une substance que les jeunes ne connaissent pas et qu'il est à cause euh, non seulement de sa nouveauté, de son et de et du goût aromatisé qu'il a, les jeunes euh, se mettent à consommer cette substance à la place de la cigarette et, et c'est démontré. Et avec, le, avec le temps, je vais vous démontrer que c'est une substance qui est plus dangereuse que la cigarette même. C'est parce que les jeunes ne savent pas qu'ils sont en train de la remplacer par la cigarette, alors que tous les deux sont dangereux et la chicha encore plus dangereux que, la cigarette. Euh, je reviendrai vers vous le temps de donner la parole à mon invité euh, du Conseil national de la jeunesse, euh, M. Sidi Mohamed. M. Sidi Mohamed, cette pratique se répand de plus en plus de la ville de Niamey. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça en tant que structure des jeunes Merci, madame. D'abord, merci de nous avoir invités pour débattre de, ces, de, cette thématique très importante pour nous en tant que leader de jeunes, en tant que responsable de jeunes. Mm. Cette euh, situation nous préoccupe euh, à plus d'un titre parce que euh, c'est des questions de santé en quelque sorte qui s'aggravent. c'est néfaste pour les jeunes. Et je pense que la mairie, je veux féliciter la mairie pour avoir pris cette arrêté mm. qui a interdit la consommation euh, sur les lieux publics. Mm. Mais moi, je, dirais qu'il faudrait également l'interdire de façon plus largement, de façon en tout cas à ne pas l'importer. Il faudrait que si nous voulons euh, que nos jeunes, nos camarades la consomme ou toute la population, il faudrait forcément l'interdire carrément. Oui, selon vous, comment cette pratique a pu gagner assez de terrain ici Vous savez, bon, euh, il faut le dire ainsi parce que la plupart des jeunes ne font rien et quand ils viennent à la FADA, ils sont tentés par des jeunes qui, sont, qui, en consomment, qui consomment euh, la chicha. Vous savez, la chicha a une une histoire, je ne dirais pas glorieuse, mais c'est un phénomène qui a commencé à travers les, euh, pays du, Maghreb, du, Maghreb, qui, euh, vous savez, nos, jeunes mm, partent en exode, partent étudier aussi. Et donc c'est pourquoi souvent, et en partant là-bas, ils voient euh, comment ça, elle euh, est consommée, comment, euh, comment la mm. consommation mm-hmm. est, faite. Donc, du coup, ils sont tentés, ils la consomment. Mm. Maintenant, en revenant au pays, ils ont contaminé, j'allais dire, ou bien les autres jeunes sont tentés par mm. ce phénomène. Donc, du coup, ça devient, je je sais pas, c'est comme la cigarette, en quelque sorte, ça, ça tente les jeunes. Et les jeunes ne savent pas à quel degré ils sont en tout cas en train d'exposer leur santé. Mhm. Donc, Donc je pense qu'il faudrait carrément l'interdire, c'est mon point de vue. Alors, Madame Salamotou, la chicha ou le tabac, quelle qu'en soit sa forme, on peut dire que sa consommation relève donc d'un choix personnel Merci, Madame. Je peux dire que sa consommation, eh, ça peut relever d'un choix personnel, tout comme ça peut eh, relevé d'une influence, voilà, ou bien limitation. Mhm. Comme l'a dit le représentant de la jeunesse au niveau des FADA, parfois les jeunes sont tentés, ils sont, c'est ces limitations qui les poussent à consommer la chicha. Mhm. Même s'ils n'ont pas l'effort personnel de, le faire en voyant les autres consommer. eux aussi. Vraiment, ils sont tentés. Ils mhm. sont tentés aussi d'en consommer pour voir à quoi ça ressemble. Mhm. Et à travers même euh, le témoignage de ce jeune, euh, l'on lui dit que les jeunes sont conscients des dangers qui sont liés à cette prise de chicha, mais s'y adonnent. Alors, euh, docteur Souman fazazi vous êtes toujours à ligne Docteur Souman Al-Fazazi, je disais qu'à travers le témoignage de ce jeune homme, l'on dit que les jeunes sont conscients des dangers qui sont liés à la consommation de la chicha messiadone. Donc, dites-nous quels sont les risques liés à la consommation, en quoi elle est nocive à la santé. Merci, madame. Donc, euh, par rapport à l'effet de la chicha sur la santé, beaucoup d'études récentes ont montré que d'abord, euh, la ficha est, plus dangereuse, que la consommation euh, de la ficha est, plus dangereuse que, la cigarette même, parce que selon l'Office français de, tabac, de tabagisme, il a été déclaré que la fumée d'une ficha euh, délivre autant de monoxyde de carbone que 15 à 52 cigarettes et autant de goudrons que 27 à 102 cigarettes selon des mesures qui ont été effectuées par le Laboratoire national de métrologie et d'essai de France. Ça, c'est des études qui l'ont montré. Et, par rapport à la fumée que les, consommateurs de chicha consomment, une séance de chicha équivaut à 40 à 90 litres de fumée contre 1 litre par, par de cigarettes. Donc si une personne, ce qui fait que les gens qui consomment la, chicha, ils toxiques non seulement par la nicotine, par euh, le monoxyde de carbone, mais également par euh, le goudron. Toutes ces substances sont dans la cigarette. Il a été démontré que euh, dans la chicha, il y a 4000 substances chimiques qui sont toxiques ou qui sont des irritants bronchiques, des voies respiratoires, pardon, ou cancérigènes. Et en plus de cela, il a été démontré en dehors de ces substances. Toutes ces substances-là que j'ai citées sont dans la cigarette. Mais en dehors de ces substances-là que j'ai citées, dans la chicha, on a, on a, on a introduit dans la chicha certains arômes pour faire en sorte que les jeunes l'inhalent plus profondément, ce qui fait que ils, sont, ces substances se déposent au plus profond des poumons, c'est-à-dire au niveau des alvéoles pulmonaires, et entraîneraient plus de dégâts également sur leur état de santé, sur, tout leur état respiratoire. Et ces jeunes introduisent. Je, voudrais euh, encore ajouter que la consommation ça, c'est par rapport à la comparaison avec la cigarette. Mhm. Si on prend les effets sur la santé, si je prends, il y a non seulement les risques des maladies liées au tabagisme qui sont les risques de faire l'asthme bronchique, c'est-à-dire que les patients qui vont faire des, des, bronchites à répétition, c'est-à-dire euh, la BPCO, on appelle l'asthme du fumeur. Mhm. Si la personne est asthmatique, ça, complique son asthme. Mhm. Il y a aussi les risques de cancer du poumon, des lèvres, de la vessie et des voies aériennes, aérodigestives supérieures qui ont été démontrées par des études. Mhm. En dehors de ces risques de cancer, il y a également des maladies contagieuses qui ont été démontrées. Moi, j'ai fait une étude là-dessus, j'ai vu beaucoup de cas des jeunes qui ont fait la tuberculose parce qu'ils partageaient l'embout mhm. avec d'autres jeunes. Mhm. Il y a également les, risques des hépatites et, et les risques d'herpès liés au fait qu'ils partagent l'embout entre eux. Donc... En dehors de ça, la chicha expose aussi tous ceux qui entourent, tous ceux qui sont autour, même s'ils ne sont pas fumeurs, ils sont à risque parce qu'il y a le tabagisme passif qui est là, qui les met à risque. Mhm. Donc vous voyez, madame, tout ce que je viens de dire, c'est les effets de la chicha, mais les jeunes ne le savent pas. Ils sont en train de, se tuer à petit feu. Oui, on comprend que... oui. on comprend que c'est vraiment euh, très dangereux pour la santé. Donc, est-ce que euh, la consommation de la chicha tue rapidement oui, ça, ça tue parce que ça donne plus des effets sur les poumons. Je vous ai dit que, à la différence de la cigarette, parce que je vais vous expliquer le principe. C'est quoi la, la, fumée passe à travers l'eau et il refroidit. La, la, chaleur de la fumée, là, est refroidie. Mhm. Donc, la personne, il prend des grosses bouffées de, de fumée et qu'il inhale en profondeur. Mhm ce qui fait que les dépôts se font en profondeur au niveau des alvéoles et c'est les alvéoles qui, qui, font la respiration d'un individu. Mhm. Ce qui fait que les alvéoles seront rapidement détruits. Donc, ils sont un consommateur de chicha, il risque d'être insuffisant respiratoire très rapidement même un consommateur de tabac, je vous assure. Docteur, un autre constat, c'est que les jeunes filles s'adonnent également à la consommation de la chicha. Quelles conséquences pour leur santé si on sait que leur organisme est très fragile comparativement à celui d'un homme comme je vous ai dit, la chicha expose à tous les cancers. Mhm. Déjà, la femme, c'est un sujet à risque de cancer du sein. Et qui fume encore, elle, elle est à risque de cancer du poumon. Et, en dehors de ça, eh, la fertilité de la femme sera compromise. Hmm. Parce que eh, la, la, la cigarette en général, hein, eh, joue sur la fertilité, que ce soit de l'homme comme de la femme. Hmm. Si c'est des femmes qui, sont amenées à tomber enceintes, ils mettent à risque leur bébé aussi. Hmm. Ils sont à risque de petits poids et de mort subite. Ça, c'est démontré scientifiquement. C'est pas que je fais peur aux jeunes, hein, <laughs> mais je vous assure, c'est la vérité. C'est des études scientifiques qui l'ont démontré. Merci, docteur. Nous allons revenir vers vous. Euh, alors, monsieur Abdoulaye Moumouni euh, de la délégation spéciale euh, de la ville de Niamey. Outre les conséquences sanitaires, il y a aussi un impact sur l'économie. Euh, quelles, peuvent être selon vous les conséquences économiques de cette consommation de la chicha Les conséquences euh, sont évidentes. Nous savons, si on prend euh, l'IDH, il est toujours dit que notre pays fait partie des plus pauvres de la planète, ce qui veut dire que nos jeunes, quand ils observent leurs revenus, ne, ça ne dépasse pas 1000, 1500 francs jour. Et ça, c'est ceux qui sont vraiment dans la classe moyenne. Mhm. Si, en dépit de cette faiblesse des revenus, ils s'adonnent à cette pratique de fumer euh, la chicha, ah ça veut dire ils investissent la majorité, la quasi-totalité de leurs euh, revenus dans la euh, dans l'achat des produits et dérivés de la chicha, mhm. ce qui les empêche naturellement de d'assurer les, les besoins primaires d'un être humain parce que euh, j'observe le consommateur de chicha préfère prendre son chicha que de manger. Le consommateur de chicha préfère fumer sa chicha que de s'assurer euh, le minimum. Donc c'est facile à comprendre. Euh, cette pratique de consommation de chicha est un désastre social mm-hmm. et, euh, il faut la considérer comme tel et l'appréhender comme tel mhm. Et justement, outre les aspects euh, sanitaires et économiques, cette consommation également a un impact social. Je reviens vers vous, Monsieur Sidi. Euh, selon vous, euh, comment la consommation peut impacter sur la société eh bien, sûr, il y a des impacts qui sont immédiats. Les immédiats, Quels sont ces impacts dire comme mon docteur l'a dit tout à l'heure, il y a des impacts directement sanitaires, sanitaire, c'est-à-dire que il y a des maladies eh, qui, sont contagieuses, telles que la tuberculose, telles que eh, l'hépatite B, le bronchite, mhm. le cancer ou euh, même euh, les maladies cardiovasculaires que cette euh, consommation peut engendrer. Donc ça, c'est déjà l'impact le premier impact que j'allais euh, souligner. Mm. Deuxièmement, il y a l'impact euh, qui est d'ordre économique, comme euh, mon frère venait de le de la délégation de Niamey. C'est-à-dire les jeunes, au lieu de s'investir ou au lieu de créer des entreprises, ils s'adonnent peut-être à, l'argent qu'ils devaient économiser pour faire quelque chose ils mettent ça dans, euh, dans cette euh, consommation de, la chicha. Je pense qu'il y a déjà l'impact économique. L'autre impact que j'allais dire, c'est surtout la paresse. Ça tente la jeunesse à l'embauche, à la débauche plutôt. C'est-à-dire les jeunes n'ont plus de travail que de venir à la fada et fumer la chicha. Donc c'est des impacts qui sont réels, qui sont en tout cas néfastes pour la mhm. société, tout comme euh, la consommation elle-même elle est néfaste. Donc ces impacts l'accompagnent. Et je pense qu'il euh, faudrait en tout cas aider la jeunesse à travailler si nous voulons vraiment éradiquer ce phénomène. Oui, et comme je le disais dans l'introduction, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a, dans un communiqué le, du 7 septembre, interdit la consommation de la chicha dans les lieux publics. Alors, monsieur Abdoulaye, parlez-nous de cette décision. Qu'est-ce qui a motivé le président à prendre cette décision? Euh, mieux qu'un communiqué, je dirais, euh, c'est un arrêté. C'est un arrêté municipal qui a force exécutoire sur tous les territoire de la, de la ville de Niamey, car il faut le souligner, l'arrêté municipal a force de loi sur le territoire euh, de la ville de Niamey. La motivation est simple. Les observations que nous venons de faire en amont sont en grande partie à la base euh, de la décision. Et surtout, nous avons observé à un moment où les autorités de la ville de Niamey euh, ont décidé de voir comment doter cette jeunesse des places publiques viabilisées avec euh, euh Wi-Fi et autres cadres récréatifs. Mm-hmm. Ces jeunes n'ont pas trouvé mieux que de transformer ce lieu en tribune de consommation d'alcool et de chicha. Mm. Au lieu que ce soit un cadre récréatif, un cadre pédagogique pour ces jeunes où eh, ils se rencontrent dans un cadre de donner et de recevoir, non, c'est un cadre de, pour eux pour fumer la chicha, pour prendre l'alcool, pour se droguer, il faut appeler les choses par, leur nom, mm. et pour se donner à des pratiques jusque-là méconnues notre société. Oui, l'arrêté parle des espaces publics. Alors, quels sont les espaces publics concernés par cette interdiction Est-ce que les déventures euh, des maisons des particuliers sont-elles euh, des espaces publics L'arrêté dit clairement euh, qu'il est interdit la consommation d'alcool et de la chicha dans tous les espaces publics municipaux. Mm. L'espace public municipal s'entend toutes les places publiques. C'est-à-dire Toutes les places publiques, euh, si dans un quartier X, il y a une place publique euh, réservée pour les euh, des activités récréatives des jeunes, et que ces jeunes, au lieu de s'adonner au sport et aux loisirs, transforme cet endroit en lieu de consommation de chicha et d'alcool, là, là, les dispositions, les sanctions prévues, j'allais revenir parce que l'arrêté a prévu des sanctions à la matière. Oui, ces, sanctions. sanctions vont s'appliquer à eux. Il ne faut pas qu'on que non, c'est seulement au niveau des rempoints aménagés, au niveau des places où euh, il y a gazon, wifi, etc. Non, on parle très bien de tout espace municipal aménagé. Nous sommes aujourd'hui à, à, à quelques mètres de chez nous. Je vois, il y a une place euh, euh, où les jeunes sont en train de faire le football. Mm. Si à partir d'aujourd'hui, ces jeunes de Quaracano euh, se disent non, on va arrêter de faire le football, on va, transformer le lieu en espace où on va fumer notre chicha ou consommer l'alcool, qu'ils ne soient pas surpris de voir mhm. euh, les, agents de la police municipale ou de la police euh, nationale venir appliquer les sanctions prévues par la réglementation. Mais qu'en est-il des clubs euh, de, consommation de chicha qui sont créés à l'occasion les, clubs, comme si les clubs sont privés, parce que la loi protège le domaine privé. Si le père des familles accepte que ses enfants créent un club euh, privé, euh, un club de, de consommation de, chicha, à l'intérieur de sa maison, là, c'est sa responsabilité des parents qui est engagée. Ça sort du domaine public pour se retrouver dans le domaine privé. Une manière de responsabiliser les parents. Mhm. Parce que les autorités publiques, à travers cette arité viennent de jouer leur partition en disant c'est fini, la consommation de chicha et de l'alcool sur la place publique. Il appartient aux parents de se dire comme l'autorité publique ne vous permet pas de le faire au vu aussi de tout le monde dans les places publiques, nous aussi en tant que parents, c'est fini, vous n'allez plus venir à l'intérieur de nos maisons, fumer votre chicha et votre alcool et apprendre cette mauvaise pratique à vos jeunes frères. Mais est-ce qu'il existe déjà des données euh, des jeunes qui consomment cette chicha ici la direction régionale de la santé, tout à l'heure, vous avez entendu, le, médecin vous a donné l'exemple des, des, euh, jeunes euh, atteints de certaines pathologies à cause de, la, de, euh, cette affaire de chicha. Mm. Il n'y a pas eu de recensement où on peut dire voilà le nombre exact des jeunes, qui, consomment, la chicha ici à Niamey. Mais il suffit de faire un tour dans les quartiers de Niamey. Aujourd'hui, avant, nous, à notre temps, nous savons, les jeunes se retrouvent pour jouer au Scrabble, pour jouer à la belote, pour euh, euh, euh s'adonner à d'autres divertissements. Aujourd'hui, non. Ce n'est plus le cas. Et malheureusement, avec nos jeunes sœurs. Et justement, euh, quelles, sont les sanctions que prévoit cette, cet arrêté d'interdiction L'arrêté a prévu deux, deux paliers de sanctions. Dans un premier temps, quand euh, l'agent chargé de l'application de cet, arrêté vient sur la place, il confisque d'abord les matériels de chicha. Mhm. Une deuxième fois, il revient et retrouve les mêmes personnes. En ce moment, il y a une amende de 10 000 à 30 000 par personne. Mhm. Madame euh, Salamotou, euh, comme l'a dit votre prédécesseur, les contrevenants sont euh, exposés à la rigueur de la loi. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des personnes déjà, des jeunes qui ont subi les rigueurs de cette décision En tout cas, pour le moment, moi, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui ont subi les conséquences de cette décision. Je parle sous le contrôle du conseiller juridique du mm de la délégation, spéciale de la ville de Niamey. Mhm. Alors, Monsieur Abdoulaye Pour le moment, euh, vous savez, quand euh, une loi a d'abord un aspect pédagogique. Et après, l'aspect répressif va suivre. Nous sommes pour le moment dans l'aspect pédagogique. Demain, ça fera 21 jours que cette mesure est prise. Mm. Le jeudi prochain, plaisadier, il y aura une grande rencontre à l'hôtel de ville de Niamey qui va regrouper les chefs des quartiers, les leaders religieux, les organisations de la société civile. Et lors de cette rencontre, le président de la délégation spéciale va solennellement dire que c'est la fin de la récréation. Mm. Oui. Et suivra la mise en place effective des sanctions. Et ce n'est pas seulement la chicha. J'espère que le jeudi, vous serez à l'hôtel de ville. Il y a 10 mesures clés que la délégation spéciale euh, de la ville de Niamey va prendre en vue de protéger la jeunesse. Parce que nous sommes conscients aucune société ne peut se développer sans une jeunesse saine et responsable. Oui, et de quels moyens disposez-vous pour faire respecter euh, cette décision Nous avons la, euh, loi, euh, si on prend l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales, dit clairement que le maire de la ville de Niamey aujourd'hui, c'est le président de la délégation spéciale, la même loi, dit qu'il fait office des euh, demain a à sa disposition la force publique pour faire appliquer les lois et règlements de la République. Et cet arrêté est un règlement à l'échelle locale. Nous avons la police nationale, la police euh, municipale et bientôt, je vous donne la primaire, il y aura une brigade verte qui sera installée au niveau de la ville de Niamey pour euh, vraiment amener nos jeunes à comprendre et à marcher au pas pour leur propre intérêt. Merci, docteur Soumana Alfazazi. Vous êtes toujours allé. Oui, madame. Vous venez là d'entendre toutes ces précisions sur euh, cet arrêté d'interdiction de la consommation de la chicha dans les lieux publics. Euh, selon vous, euh, doit-on s'en tenir à l'interdiction de la consommation dans les lieux publics ou bien faut-il penser à interdire son importation? Oui, euh, madame, comme je dis, euh, je suis très content de cette loi qui a été prise, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le Niger, on a pris beaucoup de. il y a eu beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre le tabac en général. Mais malheureusement, l'application est autre chose. Il est bon de faire les lois, mais il faut, il est, il est encore excellent de les appliquer. C'est ça le problème. Au Niger, euh, on fait des lois. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord euh, il faut, il, faut sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent les dangers de cette substance-là, comme vous, êtes en train de le faire actuellement. Mm. Et il faut prendre des lois et les appliquer. Et il faut aussi euh, donner la possibilité aux jeunes d'aller vers des structures où même s'ils veulent arrêter, on peut les aider à arrêter. Mm-hmm. Actuellement au Niger, il n'y a pas une structure euh, digne de son nom où on, on, permettrait à la personne de faire le sévrage tabagique. Mhm. Vous voyez Donc, euh, vraiment, moi, je pense que euh, par rapport à la lutte contre le tabac, il y a plusieurs actions à faire. Mhm. La première, c'est l'on on peut interdire l'importation, même si on ne peut pas l'interdire, il faut surtaxer mhm. cette importation. Il faut surtaxer les produits de tabac. Deuxièmement, il faut il faut, il faut interdire la, vente détaillée aux jeunes parce que ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mm. C'est une fois à l'âge adulte ou bien hein, une fois euh, étant vieux qu'ils comprendront les conséquences des effets qu'ils ont fait dans, dans leur jeunesse. Mm. Parce que c'est pas là, des fois, les gens comprennent. Ceux qui fument, c'est une fois à 50 ans ou 60 ans, qu'ils comprendront qu'ils ont, ils, ont ils, se sont fait du tort. Mhm. Donc vraiment, moi, je pense que il faut aller au-delà des lois. Il faut sensibiliser la, les la jeunesse. Il faut, il faut donner les moyens d'aller dans des lieux où on peut les conseiller à arrêter pour ceux qui ne peuvent pas arrêter. Parce que le tabac, vous savez, ça crée une dépendance. La dépendance, là, des fois, ça fait en sorte que le jeune ne peut pas arrêter, même s'il veut arrêter. Donc, il faut que il y des structures pour les appuyer à arrêter s'ils veulent arrêter. Merci, docteur. Restez toujours en ligne. Monsieur Sidi Mohamed, en tant que leader de la jeunesse, parlez-nous des actions que vous menez pour dissuader ces jeunes à la consommation de la chicha. Merci, madame. Euh, pour le moment, les actions que nous sommes en train de mener, c'est surtout des, sensibilisations, des formations, c'est-à-dire pour, euh, conscientiser les jeunes euh, sur les dangers, les risques qui sont liés à la consommation de la chicha. Mm. Mm, à travers quoi À travers nos forats, à travers nos ateliers, à travers les formes que nous organisons dans beaucoup de, localités, beaucoup dans les régions dans les départements. <coughs> Mais nous envisageons également euh, en tout cas de mener une campagne spécialement dans toutes les régions. Si même les moyens nous les permettront, le nous, allons faire cette campagne, nous allons la mener dans tous les départements ou même dans toutes les communes du Niger. Parce que sur, euh, il faut, il faut les dire, les, impacts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont énormes. Mm-hmm. C'est un danger public pour, euh, pour la jeunesse cette consommation. Mm. Donc c'est pourquoi en tant que structure de jeunes, en tant que leader de jeunes, nous avons cette lourde responsabilité de sensibiliser nos, nos jeunes frères, nos, nos, camarades par rapport à cette situation, à ces, dangers qui sont en train de, en, tout cas, en, courir. Mm-hmm. Alors Madame Salamatou, <coughs> euh, qu'est-ce qui doit être davantage fait pour euh, freiner cette pratique, voire même l'interdire Merci Madame. En tout cas, le grand travail en tant que technicien du, domaine social, moi je peux dire que ça repose sur la sensibilisation. Il faut vraiment faire une sensibilisation de masse qui doit d'abord concerner les jeunes, les parents et même les vendeurs Mm-hmm. Les vendeurs, c'est comment les dissuader eh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut parler des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan social, parce que ça, ça a des conséquences à plusieurs niveaux, la consommation de la chicha. Mm-hmm. Donc vraiment, la, sensibilisation, c'est c'est le, le, grand travail qu'il faut faire pour, pour conscientiser les gens, pour changer le comportement des jeunes. Mhm. Si vraiment le message passe bien, il faut faire la sensibilisation de masse. Si le message ça passe bien, vraiment ça aura un, impact. Ça aura un impact sur la vie des consommateurs. Monsieur Abdoulaye, vous, quel est votre message Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces substances et autres produits similaires ne soient plus euh, consommés dans nos villes par les jeunes eh Avant de répondre à votre question, permettez-moi de relever un paradoxe. Eh, immédiatement après eh, la publication de l'arrêté municipal, la ville de Niamey, à travers sa page Facebook, a posé une question simple. Que pensez-vous de l'interdiction de la chicha par les autorités municipales. Mhm. Et vous convenez avec moi, Facebook est utilisé par les, jeunes. Et 99% des jeunes disent c'est une très bonne mesure. Ils encouragent le président de la délégation spéciale. Pourtant, ils ne la respectent pas. Pourtant, ils ne la respectent pas. Donc eux-mêmes, ils sont, ils sont conscients que la consommation de la chicha est une mauvaise chose, tant sur le plan euh, sanitaire, social qu'économique. Mhm. Aujourd'hui, euh, il faut relever une chose. La meilleure façon, selon le président de la délégation spéciale, les membres de la délégation spéciale, c'est la sensibilisation, la conscientisation. Et cette sensibilisation et la conscientisation peut passer par trois acteurs. Un, les jeunes d'abord. Je mm. suis content de, constater la présence d'un représentant du Conseil national de la, jeunesse. Et j'espère qu'il est informé de la réunion du jeudi prochain et, que le Conseil national de la jeunesse sera parce que, j'ai dit, la majorité des points inscrits à l'ordre du jour concernent directement la jeunesse. Mm-hmm. Les parents, parce qu'aucune aucune sensibilisation, aucune politique ne peut marcher sans une pleine participation Des parents parce que l'Afrique, qu'on le veuille ou non, nous sommes des Africains. Et nous reposons sur trois piliers. Mm-hmm. L'éducation parentale, euh, l'éducation sociale, après vient l'éducation des pouvoirs publics. Mm-hmm. Si les parents ne jouent pas leur partition, les deux moyens ne peuvent pas réussir. Donc il appartient que chaque parent ait l'œil regardant sur ce qui son enfant fait. Mm. Parce que j'espère que euh, Kalangou va mettre cette émission à la disposition de certaines radios partenaires mm. pour mieux sensibiliser les parents. Parce que s'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas l'impact sanitaire mm. de la consommation de la chicha. Parce que quand l'enfant tombe malade, c'est le budget de la famille qui va prendre du coups. C'est l'organisation même de la famille qui va prendre de coups, donc l'organisation sociale. Merci à vous. Alors rapidement, docteur Soumana, euh, pour votre mot de fin, quel message à la jeunesse nigérienne Merci madame. Ce que je voudrais dire à la, jeunesse nigérienne est qu'ils comprennent que, comme j'ai l'habitude de le faire, de le dire, pardon, dans le tabac en général, et la chicha en particulier, il n'y a rien de positif. Ils ne sont exposés à des dangers, non seulement à des maladies contagieuses comme la tuberculose et tant d'autres maladies, à des problèmes respiratoires qui va, même si ça ne se déclare pas maintenant, ils peuvent les rattraper hmm. une fois âgés, hmm. à des risques de Pour cela, je les conseille à arrêter de fumer le plus tôt possible pour ne pas regretter leur acte. Et, je ne sais pas, peut-être euh, récemment, parce que je vous donne quelques exemples pour finir. Nous avons eu, en pratique, hein, je vous dis, j'ai vu un jeune, au moins trois jeunes qu'on a hospitalisés, qui ont eu leur poumon rompu à cause de la consommation de chicha. Mhm. Ils étaient gonflés comme des Michelin mhm. à cause de la consommation de, chicha. Merci, docteur. Ils en charge, heureusement, on les a sortis d'affaires. Mhm. Merci, docteur. On est à la fin de ce forum, docteur. Merci beaucoup pour votre participation. Vraiment, je vous remercie sincèrement et je suis désolé euh, merci à vous. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Sidi Madame, merci beaucoup. Vous savez, moi, en quelques secondes, je voudrais dire que nous voulons participer activement à cette campagne de sensibilisation. Mais comme l'a dit mon frère, il faut que les parents prennent la responsabilité. Parce que mm. même si aujourd'hui on interdit l'importation, parce que je suis, en tout cas, j'adhère à cette euh, idée, il faut aussi, avant d'interdire la consommation, il faut interdire l'importation. Mm. Il faut taxer, surtaxer sinon les, les importateurs, mais aussi incinérer, comme certains pays comme le Maroc et la Guinée l'ont fait incinérer les bouteille. Donc vraiment, il faudrait. Et c'est ainsi que prend fin le forum de ce soir. Merci à nos invités. Prochain rendez-vous avec euh, une autre thématique. À bientôt.